d'être 11h à Niamey et partout au Niger, chers auditeurs, bonjour à vous et bienvenue dans ce dernier rendez-vous de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangou. Un rendez-vous euh, incontournable pour vous tenir informé, connecté au monde qui vous entoure du lundi au vendredi sur euh, les différentes ondes des radios partenaires du studio Kalangu. Au micro, je suis Ali Moukela Ouseni alias Seno et à mes côtés Salamatou Kadri pour la présentation. À la technique, nous avons Mustafa Ayuba et à l'édition Adam Adawaki. Bonjour Salamatu, comment vas-tu Je vais bien, c'est nous, bonjour. Super, alors euh, qu'avons-nous au menu ce matin pour nos auditeurs c'est nous, nous avons préparé une palette de rubriques captivantes qui vont rythmer la journée de nos fidèles auditeurs. Tout d'abord avec notre flash d'information qui apportera un condensé de l'actualité matinale. Ensuite, chers auditeurs, nous allons vous faire emporter par les notes envoûtantes de notre sélection musicale variée d'aujourd'hui. Vous aurez également la rubrique écho des rejoints. Le sport aura également sa place dans cette émission car il est un moteur de passion et d'émotion. De la culture linguistique sans oublier le loti du desk femme du studio Kalangu et la revue de la presse présentée chaque vendredi. Et oui, dans la rubrique invité du jour, nous recevons Salamatou Djido. Elle est membre du comité d'organisation euh, de Tarmamou. Avec elle, nous allons parler des préparatifs de ce grand événement qui se tiendra demain samedi 15 juillet 2023 au Palais des Congrès de Niamey. Nous terminerons cette édition avec les messages vocaux de nos auditeurs. Alors, préparez-vous à vivre une journée rythmée, riche en découvertes, en émotions et en partage. Restez à l'écoute, c'est parti. Sans trop tarder, chers auditeurs, je vous propose de suivre le flash d'information avec Nafisa Adam Sirfou. Nafi, bonjour. Bonjour Salamtou, bonjour Seno. Bonjour. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Studio Kalangou et bienvenue dans ce flash d'information. Début hier de l'acheminement, retour par vol charter des pèlerins nigériens à Niamey des lieux saints de l'islam. Ethiopian Airlines a déjà acheminé hier 267 pèlerins. Cette opération de retour se poursuivra avec les vols d'Ethiopian Airlines. La compagnie Air débutera ses vols le 19 juillet et Flynasa le 20 juillet. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation ainsi que plusieurs hauts cadres militaires et civils étaient hier de la commune de Ouredjaladjo, département de Saï. Objectif à rencontrer les populations de cette localité, notamment celles des villages environnants qui ont pris d'assaut le chef-lieu de la commune pour chercher refuge suite aux actes de vandalisme posés par des groupes armés. Selon le ministre de l'Intérieur, l'État a déjà déployé les forces de défense et de sécurité pour nettoyer la zone et des vivres pour les accompagner à surmonter cette épreuve ont été aussi acheminés. Enfin, la Commission nationale des droits humains est en mission de travail cette semaine dans la région d'Agadeza. Le but de cette mission est de s'inquiéter de la situation des droits des migrants et des conditions de garde à vue ainsi que de détention. Selon l'institution, l'unique centre d'accueil et de transit d'Asmaka enregistre en janvier 2023 déjà 1429 refoulés avant l'arrivée d'autres 4000 entraînant le désarroi de la zone frontalière, d'où l'importance de cette mission de la CND de mettre l'accent sur la situation humanitaire qui y prévaut. C'est la fin de ce flash. Merci Nafi pour toutes ces informations, chers auditeurs. Comme annoncé tantôt, nous recevons Salamoto Dido. Je rappelle qu'elle est membre du comité d'organisation de Tramamoumou et avec elle, nous allons parler des préparatifs de ce grand événement qui se tiendra demain, samedi 15 juillet 2023 au palais, au palais de congrès. Bonjour à euh, merci de nous honorer de votre présence dans cette émission. Bonjour Salamatou. <laughs> Bonjour. Bonjour. Bonjour Seino. Alors, avant de vous donner la parole, euh, savourons d'abord ensemble la première musique de notre playlist d'aujourd'hui. Il s'agit de Zingi Zingi du groupe Block Black Daps. On écoute. Yo, Woody, I'm a singy, singy man. Whoa, yo, my singy, singy man. Hey, yo, I was so my singy, singy man. Yeah, no, my singy, singy man. Hey, yo, Woody, I'm a singy, singy man. Whoa, yo, my singy, singy man. Hey, yo, I was so my singy, singy man. Yeah, no de Black Daps, le Mike Zagato, Batora. Toi-même tu sais, l'ambiance est assurée. Wondi, arrosé, ah, wouké, gedi, wouké, gama, woukamba, sambou, bene. Jamama, sarga, jippo, sarga, pito, sarga, follow sarga, jippo, sarga, pito, sarga, follow. Hip hop, nirgi, jindo, jamama, maga, follow. Hip hop, nirgi, dibi, jamama, hanga, follow. Hip hop, nirgi, sote, jamama, kuwa, kuwa, hey. Wargi da, de meji da, wargi da, de meji da. Nishar, borengo, fofo, digit, piyasa, you know. Dinna, Mike, sa, sa, mate, hey mate, we put him a gumbo zaka donu Bring Nigga mic is like a rapper dipi. Zamani doni lala, what am I hunger lala? got to patura, I was same with that mukaga kumbazaza. We put him a zara hunger sinji moto. Alberi got a zaka gawa to patura. Work it out and make it out kundomu wasa. What's on the ghetto, not like ireto. Anaje kunya tashi, mukama aiki. Go iyali, nijar bore wo zingi me. Konda, masingi zingi me, hey yo, body, I'm a singy, singy man. Mo, yo, my singy, singy man. Hey, yo, I was so my singy, singy man. Yeah, no, my singy, singy man. Hey, yo, body, I'm a singy, singy man. Mo, yo, my singy, singy man. Hey, yo, I was so my singy, singy man. Yeah, no, hey, yo, body, yeah, I was saying, what to the gamma, what to the gamma, what to the gunfire, the black top, the mic, the sonic, the sonica, no soccer, I wanna go, we wanna go, some caca, mama sarga cipo Motai ma zinti moto Sata ma follow Vitale vorrei ma mano Ma tu ne gagano Ma fondi wambo Dunya ma cano Era de menya Ma sa de mata Blanda piascico Ma shake ma Bata sata Beta on the pizza Tutto wasa Wasa Wasa Wasa Black Dams est un groupe de rap du Niger. Son aventure commence en juin 87. Non, 97, désolé, à Niamey, le groupe compte dans sa, bio, dans sa discographie deux albums. Gaxina, notre contribution, sortie en 2001 et Tous Ensemble, sorti en 2007. Nou, ma zingi zingi men, hey, yo, yo diya ma zingi zingi men Mo, yo, ma zingi zingi men, hey, yo, a roso ma zingi zingi men Ga, nou, ma pou ka sere, kalibre, karle, ouvi yon nou daro, gogo daro Zerk mwa ton gogo, gogo tou we nou mi, a molo ou molo Ouvi yon nou dawe, pompe, konpe, ka reste, pompastik, blak tap, stonbo to ra yolulebi ni jitebolomini ye irabe sululebi amoto yọpọfulebi amoto gogodaho amoto bi lebi iriji omoto. Mo sinji sinji mẹ, mo de ya mo sinji mẹ, mo to mo mẹ, yo aroso mo sinji mẹ, ya nu mo sinji mẹ, yo mo de ya mo sinji mẹ, mo go. My singy singy man. Hey, yo. I was so my singy singy man. Yeah, no. My singy singy man. Hey, yo. One day I'm a singy singy man. Whoa, yo. My singy singy man. Hey, yo. I was so my singy singy man. Yeah, no. My singy singy man. Hey, yo. One day I'm a singy singy man. Whoa, yo. My singy singy man. Hey, yo. I was so my singy singy Chers auditeurs, voilà, c'était Zingi Zingi du groupe Black Dams. Nous espérons que vous avez aimé. Alors, tous, sois la bienvenue. Merci. <laughs> Parlez-nous un peu de Tarmamoumou. D'abord, c'est quoi Tarmamoumou Alors, Tarmamoumou, comme on le dit, ça veut dire en français les étoiles. Donc, nous célébrons les étoiles du Niger. Donc les étoiles du Niger, c'est quoi C'est tout ce qu'il y a comme acteur culturel aujourd'hui, donc dans chaque catégorie. Donc je vais dire que nous avons 16 catégories, donc musique urbaine, musique moderne, sport, cinéma, euh, stylisme, web comédien, etc. Donc parmi ces 16 catégories, mhm. nous avons déniché les meilleurs des meilleurs. Donc, dans chaque catégorie, il y a 5 meilleurs que nous avons sélectionnés. Et parmi ces 5 meilleurs, en fonction de la réalisation de chacun d'entre eux au courant de l'année 2022, ah, il sera primé, il, va recevoir le trophée du meilleur acteur de sa catégorie. D'accord. Alors, vous êtes à euh, quelle édition cette année Cette année, nous sommes à la deuxième édition. Donc, il y a eu la première édition. Donc, il y hmm. avait 10 catégories l'année dernière. nous avons jugé utile cette année d'augmenter plus les catégories parce qu'on sait que le domaine culturel il est très vaste. l'année passée, il y a beaucoup qui se sont plaints, ils, n'ont pas été nominés. Donc, cette hmm. année, nous avons jugé d'aller encore plus euh, sur plus de catégories. Hmm. Et la prochaine édition, il y aura également d'autres catégories qui vont intervenir parce que le domaine culturel, il est très, très, très vaste. Exact. Et comment se passent euh, les préparatifs les préparatifs se passent très bien. Donc, nous avons déjà euh, la conférence de presse qui est actuellement euh, en train d'être euh, passée au, à la Blouzone. Mhm. Donc, demain, Inch'Allah, nous serons au Palais des Congrès. Nous sommes déjà à 99% de la réalisation de cet événement. Un avant-goût. Donne-nous un avant-goût. Ah non, non, non. Devenez <laughs> demain à 19h30. À 19h30, il y aura le tapis rouge. C'est une exclusivité. Le tapis rouge, notamment, c'est le passage des photos, le passage des tenues. Donc, soyez très, très, très beau dans vos différentes tenues. Donc, nous vous attendons demain au Palais des Congrès quand il sera 19h30. Ok, est-ce qu'il y a des tenues exigées ou bien euh, chacun est libre de s'habiller comme il veut il y a une exigence de tenue parce que cette année, nous avons dit qu'il n'y aura mhm. pas de tenue qui va exposer le corps. Donc, du coup, soyez, ayez des tenues qui sont très classes. Mhm. Donc, soyez des, créateurs. Allez-y vers ces créateurs, vers ces stylistes qui font de la bonne création. Et venez nous montrer de quoi eh, vous êtes capable. D'accord, merci. Avant de poursuivre nos échanges, Salah nous marquons une petite pause pour suivre la revue de la presse. Mokhtar Hamadou est là. Mokhtar, bonjour. Bonjour Salamatou Kadri, bonjour Ali Moukaila Ousseini. Et Mokhtar, quelles sont les actualités qui ont marqué la semaine D'accord, Momatar Baccalauréat 2023, les candidats <coughs> de la série D reprennent les épreuves de à titre en gros l'hebdomadaire Niger Inter. Oui, en effet, selon le journal, les résultats du baccalauréat 2023 rendus publics en Conseil des ministres le jeudi 6 juillet par le ministre de l'Enseignement supérieur vont devoir être revus à la hausse prochainement. En effet, suite à, des, erreurs graves décelées dans la formulation du sujet de mathématiques de la série D, le chef de l'État a décidé que celui-ci soit simplement repris dans les jours prochains. Cette décision prise constitue sans nul doute une aubaine pour des milliers de candidats de la série D ayant été récalé pour n'avoir pas obtenu la moyenne dans l'épreuve incriminée, à savoir les mathématiques, estime le journal. Sur les réseaux sociaux, les commentateurs n'y vont pas du dos de la cuillère si pour certains, la décision prise en Conseil des ministres pourrait permettre cette fois-ci aux candidats chanceux de tirer leur épingle du jeu. D'autres, par contre, trouvent que les erreurs décelées euh, semblent déjà briser le rêve de pouvoir décrocher d'un seul coup le précieux sésame à bon nombre de candidats de la série D, poursuit le journal. Alors, le MEN e organise euh, la fermeture de 36 écoles euh, scolaires privées pour violation des textes, titre l'agence nigérienne de presse ANPE. Selon l'ANP, le ministère de l'Éducation nationale vient par un communiqué publié ce ministère mercredi 12 juillet 2023 de décider euh, de la fermeture de 36 établissements scolaires privés pour violation des règles régissant le secteur de l'enseignement privé au Niger. Euh, dans ce communiqué, le ministre de l'Éducation nationale indique qu'il lui a été donné de constater euh, que ces établissements scolaires privés fonctionnent en violation flagrante des textes réglementant l'enseignement privé au Niger. Il précise à cet effet que ces dysfonctionnements concernent des violations de l'article 19 de l'ordonnance du 19 juin 2016 qui stipule que toute personne qui ouvre un établissement d'enseignement privé sans autorisation officielle ou qui refuse de procéder à la fermeture quand celle-ci a été prononcée sera passible d'une peine d'emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d'une amende de 50 000 francs à 500 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Sécurité Niger, deux chefs de groupes armés capturés dans une opération des armées nigériennes et françaises, titre Radio France Internationale RFI. C'est une opération conjointe aéroterrestre des forces spéciales nigériennes et françaises dans le Gorwal, non loin du Burkina Faso et du Mali, qui a permis de neutraliser plusieurs responsables de l'État islamique au Grand Sahara, IGS, selon RFI l'opération, lors de l'opération Munatare 4, nous sommes ensemble en langue locale Hausa dans le secteur de Dolbel, dans la préfecture de Banculare, deux chefs du groupe armé activement recherchés et dont les têtes sont mises à prix par les autorités militaires burkinabè ont été capturés par des commandos nigériens et français dans le jargon militaire, on parle de cibles à haute valeur. Le premier, surnommé Abu Mariam alias Zaid, a été arrêté le jeudi 6 juillet dans le village d'Ingra au nord de Gourouane. Il est le procureur général de l'EJS, c'est-à-dire le juge suprême de toutes les personnes enlevées dans la zone des trois frontières. Le second est le, chef Sita Husseini alias Lukuman. Il a été arrêté entre les villages de Lamdou et Amarsingé, non loin de la ville de Tira. Sita Husseini avait un rôle de chef opérationnel pour toute la région à l'ouest de Terra, y compris de l'autre côté de la frontière du Burkina Faso. Alors, éliminatoire mondial 2026, le Niger, euh, le Niger fixé, euh, le Maroc, euh, l'adversaire à craindre, titre le journal en ligne L'événement. Le Niger a hérité du groupe E dont le Maroc est d'office premier favori. C'est ce qu'on peut retenir du tirage au sort du Mondial 2026 Zone Afrique effectué lors de la 45e Assemblée générale de la Confédération africaine de football CAF ce jeudi 13 juillet à Abidjan, nous apprend l'événement. Le Niger se trouve dans le groupe E en compagnie du Maroc, de la Zambie, du Congo, de la Tanzanie et de l'Érythrée. Les Lions de l'Atlas, quatrième lors du mondiale Qatar 2022 seront la cible à abattre par les cinq autres candidats à la première place. La Coupe du Monde 2026 aura lieu dans trois pays qui sont le Canada, les États-Unis d'Amérique et le Mexique. La première journée sera lancée le 13 novembre 2023. La dernière journée est attendue le 14 octobre 2025. Et c'est tout pour la revue de la presse de ce vendredi 14 juillet 2023. Merci Mokhtar. Chers auditeurs, c'était là la revue de presse. Poursuivons notre échange avec notre invité du jour, Salamoto Dido. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a une particularité dans l'organisation de cette année, contrairement à l'année précédente alors, <clears throat> cette année, alors, cette année, franchement, l'organisation, je vous dis, je suis dans le comité, mais elle est impressionnante parce que nous, avons euh, mis en place tous les dispositifs nécessaires pour que tout le monde soit à l'aise, tout le monde puisse participer à cet événement. Nous avons eu également des partenaires qui nous ont accompagnés. Nous avons le ministère de la Culture qui nous ont, qui nous accompagnés tout au long de, de, ce processus. Donc nous avons des partenaires, je ne vais pas tous les citer, ils sont très nombreux. En tout cas, je leur dis un grand merci mhm. à tous ces partenaires-là et nous espérons que l'année prochaine, pour la troisième édition, nous allons encore avoir plus de partenaires, plus d'engouement et nous appelons, un dernier point, nous appelons la population nigérienne à croire en Tangmamo parce que c'est un événement qui est historique pour le Niger. C'est un événement qui va faire connaître le Niger à l'international. C'est un événement qui est très, très grandiose. Donc, moi, je le compare au Grammy Award. Donc, sur les réseaux sociaux, donc, nous avons des influenceurs qui nous accompagnent. Nous-mêmes, le comité d'organisation, nous avons donc nos propres pages sur lesquelles nous communiquons sur l'événement. Donc, depuis trois mois, Déjà, l'événement, tout le monde le suit, tout le monde le connaît, donc c'est un événement qui est historique pour le Niger. Alors, je vous invite massivement à venir participer. Ça va passer sur, le direct sur Télé Sahel. Donc, euh, pour ceux qui n'auront pas de ticket, parce que la particularité, c'est en fait, avec Tamamou, les tickets ne sont pas payants. Donc, c'est des tickets. Nous avons 1000 places pour le palais des congrès. Donc, nous avons jugé d'augmenter 200 places encore. Donc, on a 1200 places. Donc, ceux qui ont eu les tickets, veuillez participer. Donc, ceux qui n'ont pas eu le ticket, ils peuvent suivre donc en direct sur Télé Sahel. Ce sera à partir de 19h30 demain, samedi 15 juillet 2023. C'est du, du lourd, C'est du <laughs> c'est du lourd qui nous attend demain, alors. C'est du lourd qui vous attend. <laughs> alors, dites-nous, euh, côté sécurité, euh, qu'est-ce que vous avez prévu pour bien sécuriser les personnes euh, qui prendront bien, bien sûr part euh, à, cet événement et l'air bien matériel. Alors, côté sécurité, donc, je vous fais, nous avons la police nationale qui nous accompagne. Super. Donc, nous avons également quelques agences de sécurité qui nous accompagnent. Donc, de l'entrée jusqu'à l'organisation, juste dans les halls, partout, il y aura la sécurité. Donc, ceux qui vont participer, ils n'ont pas à s'inquiéter. Ils vont être accompagnés. Il y aura des hôtesses qui seront là. Le comité d'organisation a mis en place un staff qui va s'occuper des invités, qui va les installer confortablement. Donc l'événement sera à la hauteur des événements que nous voyons à la télé. Et expliquez-nous un peu comment l'événement va se passer. Alors, ah Je, je, vous laisse euh, suivre le direct si vous n'avez pas de ticket. <laughs> Mais au moins, s'il faut donner un avant-goût à, nos auditeurs qui nous écoutent actuellement, parce que c'est tous les Niger qui nous écoutent hein, sur le Niger sur Kalangou. En tout cas, je, vous dis, il y aura le tapis rouge. Donc, c'est de 19h30 à 21h. Mhm. Donc, le tapis rouge, c'est-à-dire le passage des photos avec les invités, donc la prise de connaissances les photos, les accolades, etc. Tous les photographes euh, du Niger les dans Les photographes du Niger seront de la partie les meilleurs, les meilleurs. Je précise donc parmi les photographes, ce ne sont pas ceux qui sont nominés, mhm. d'accord, c'est d'autres photographes. Donc vous voyez qu'on a vraiment des talents qui sont là, des talents nigériens. Il y en a qui se sont portés volontaires, mhm. donc pour faire les photos, afin, parce qu'ils ont des photos de qualité, afin qu'ils puissent avoir ça sur les réseaux sociaux. Donc à partir de 21h, il y aura un grand spectacle d'ouverture. Donc, un spectacle de 30 à 40 minutes. Donc, c'est un spectacle artistique. Il y a de la musique. Il y a de la musique. Donc, il y aura des artistes qui vont prester. Donc, en fonction des catégories, on a choisi deux, trois artistes qui vont prester. Ensuite, il y aura les remerciements. Donc, la présentation des invités, il y aura les discours du ministre, il y aura le discours du président d'organisation, etc. Donc, l'événement, c'est un événement où je vous dis la soirée de demain soyez devant votre télé. C'est un événement à ne pas rater. <laughs> Merci infiniment euh, d'avoir non seulement répondu présente à notre invitation, mais aussi et surtout euh, d'avoir répondu à toutes nos questions. Bonne chance à vous et à toute votre équipe d'organisation. Nous sommes de cœur avec vous hein, pour la réussite de cette deuxième édition. Excellente journée à vous. Merci à vous aussi. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. C'est nous, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire. Oui, Salamatou, nous sommes vendredi, nous allons parler l'entrepreneuriat. Effectivement, aujourd'hui, nous allons parler de Madame Hawa Seydou, qui fait la commercialisation de l'eau glacée à Birningauri, une activité qui lui génère plein de bénéfices et qui lui permet de prendre en charge les frais de scolarité de ses enfants. Hawa Ousmane est allée à sa rencontre lors du passage d'une émission du studio Kalongo à Birningauri. On écoute. tun ga akwai da ruwan sanyi kin kwan shi kano kina shi wallahi yanzu na cikin shekara uku ne ya shi kuma alhamdulillah rabbil alamin lakur kaɗai kike kaya ko kuma ba alakur kina ko ba alakur ne a gayin su kamar kina da masu tallan ne ko a gida ke zo ana sai ana zuwa gida kuma ina da masu zuwa talla rana na bizu sawa kina iya gaya mana menene ne sa kika shiga ita wannan sana'a wallahi kin san harkar yanzu ta duniya sai a hankali tunda ana tabarkan lagayar suna son a kama musu su ya samun ka mu samu kama mu yara dan zama yanzu bai da kyau ko ga kowa yasa mun ka tashi mun ka kama kama Allah ya kama mu to yanzu wannan sana'a ta ruwan sanyi da kuma apollo hawa kina iya gami kaman a cikin rana kina iya sai da apollo na nawa ruwan sanyi kamar sarka nawa alhamdulillah muna samu don ga ini ma in ta ka samu wajen shika mu cikin shirin ini duka to bayan taimaka ma yara wani irin umarni kuma kuke samu ta wannan sana'a umarni da yawa tun da yanzu ma akwai wata asusu da ake da an ka buɗe ko mun samu umarni da yawa ciki ko kuma sabuwar duk harkar sana'ar da ya muka same su ciki kamar yanzu hawa kina da wani sako zuwa ga 'yan uwan mata to sakon da na kai ma 'yan uwa mata sai dai in ce su tashi su kama kansu allah ya kama mana mu duka mata su shiga sana'o'i su shiga mukan sana'o'i su samu su samu abin da za su kodin bakin su guda don zama yanzu ba bai da kyau kowa ka tashi kama maka ka Allah ya kama maka to yanzu hawa kama akwai kungiyoyin mata gurkuman gurkuman da ake shiga ana yin wasu asusu ana yin wasu abubuwa kamar kina cikin group mai nan shi dai ne muke ciki wani kan da kai ce miki an buɗa kwanakin nan ana gaye muna cikin shi kamar kin taɓa cin umarnin shi wannan groupin ko ku shiga kishi ta farko yanzu mun taɓa cin umarnin shi kokarin ko wallahi mun ci umarnin shi C'était là la rubrique hebdomadaire. Chers auditeurs, nous allons encore une fois de plus déguster de la zik. Cette fois-ci, je vous propose le titre Wassa du groupe Tarnasa. Dans l'orage arragé, le tonnerre se propage. Donc ta pétaque, but à celui qui nous attaque. Et alors, là, tu s'enterraras. Boum, ah, boum, ah, explosion, explosion, expression. Énorme, intouchable, comme ça, c'est ça, ça. Ce nouveau monde du hip-hop est devenu, devenu. Dans ma qu'il est fidèle. Qui n'a pas d'âge, mais il se le remet, c'est des mais attention, t'attaques, arrête. mesdames et messieurs, le groupe musical Tarnassa, qui veut dire euh, tonnerre en Hausa, est né en 2002 au Niger. Il compte à son actif euh, deux singles. Yamar et Wassa que vous êtes en train d'écouter actuellement. Classé meilleur single de l'année 2023, Wassa permet à Tarnassa de gagner hein, en renommée voilà, très malheureusement, ce groupe composé de deux jeunes garçons très talentueux n'a pas pu faire un long parcours dans le domaine musical. Tarnassa s'est éteint euh, quelques années après euh, avec le décès de l'un des membres du groupe. On dira paix à son âme. cette belle sonorité musicale, cher auditeur direction Maradi, la capitale économique euh, du Niger, n'est-ce pas, Salamatou eh Oui, c'est nous. L'écho des régions d'aujourd'hui nous conduit directement dans la capitale économique pour parler de la question des dépenses faites lors des mariages dans cette ville. En effet, le mariage est une union entre hommes et femmes consacrée euh, par un ensemble euh, d'actes civils et parfois religieux. C'est un acte destiné hein, à la fondation d'une famille. Le mariage est en effet célébré dans de nombreux culture. Il est souvent accompagné de plusieurs dépenses dont le paiement de la dot et autres festivités. À Maradi, hein, les jeunes en âge de se marier se plaignent de la, chair, de la charité du mariage. Saadatou Ibrahim, notre correspondante sur place, s'est intéressée à ce sujet. Son reportage. a nan jihar madada dai idan aka ce za a aurar da yarinya sai an gudanar da al'adu daban-daban da suka hada da soya kaji yin gumba da sauran kayan ciye-ciye a ranar kawo kayan lefe ko kudin aure wanda hakan ne ke ƙara janyo matsalar tsadar aure a jihar suleiman wani matashi ne da bai taɓa yin aure ba cewa ya yi yin aure ga halin yanzu na da bukatar kuɗi mai yawancin matasa abinda ke kai su zuwa wani shekaru mai yawa da shi ba armi tsada armi ne yanzu tunda yanzu mutum yana so ya armi in so samu ne zai so ya samu kusan fiye da miliyan akwai wasu al'adu suna nan wanda can da babu su yanzu kuma da an zo an sanya su kuma wannan al'adun duka yanzu kuɗi suke bukata rashin fahimtar juna a bangaren ma'aurata da ma iyayensu na da alaka kai tsaye ga tsare-tsaren aure da kuma tsadarsa a cewar malam mustapha wani mai shari'a akan lamuran rayuwa da kuma zamantakewa yanzu da matan da mazan an ɗauko wasu al'adu na waje ziyariya in za ka kawo mata jaka ɗari biyar ko ɗari shida walla in ba kawo mata ba lissa waje take kawo ba kawo korla a gidansu biyar da za a kai ma uwayen yarinya su kansu kuɗin ba a isa su za su yi ba ya kina ranar da aka ce za a kai ma uwayen ɗaya kuɗi kuma sun shiga hidimomi ba ni da kuɗin na je na rakito na rakito na kai na kai miki an kawo mana kwana kaɗan ni da kira na kalle ki ce in ji ba ni jin daɗi. wani lamari da ke kawo tsada aure shine yadda su kan suka shin bayan auren cewa da 'yan mata ke raina kuɗin auren da samari ke kawo musu kamar yadda malama sa'ada ta tabbatar. yanzu sai ki ga yarinya in sarmaye ce zai kawo mata kuɗi sai kira ta ce in ba miliyan guda ba ko ko hiye da haka nan ba ta so ta ga yar uwarta an kawo mata haka nan ko ko a bikinta an kawo mata haka nan an kashe mata kuɗi da yawa an sa mata kayan ɗaki su ne yanzu kawai abin da ke kai mallaka ba komi ba. To ko ta yaya malamai magada annabawa ke kallon wannan lamarin malam sani ɗan jatau wani malamin addini ne a nan jihar maradi ya yi ƙarin haske. Ko miliyan goma aka aure ba tsada ba ne inda da inda za ku samu wani sanadiyar ɗan nakar za ka sai sa ka aljanna. Babu laifi akwai hadisi rubutu wanda ya ce aure wanda aka sadaki mai azumi sauki ya fi albarka. Kuma ga yanzu wannan zamani da muke ciki ba wai auren ne yake da waya ba in ka aure yariya ma inda ma za ka zauna a matsala ne. Sauki da rage wasu sabbin al'adu masu matakar tsada a lokacin aure za su yi matakar taka rawa wajen rage tsadar aure hakan zai ba wa samari damar yin aure. ta tare da kawo sauki ga su kansu iyayen amaran. Salamu alaikum Sadatu. Amma alaikum salam. A ah, to a dainuwa. A ganin a ganin ku me yasa arme eh? yi kyada? To muna ya da gaskiya akwai matsaloli da dama. Tunda kamar yanzu aka ce za a kawo kuɗin aure uwaye sai sun in za a ka ɗari biyar uwaye sai sun kasa kusan jaka ɗari biyu wanda za su tarban yan uwan wanda zai kawo kuɗin angon kenan za a da musu kaji za a yi musu wani tsare-tsare wanda gaba ɗaya kuɗin nan ne za su karewa. E eh, to. Sannan kuma daga baya in aka zo aka kawo kuma sai an ba su tukuici a siyan da su kuɗi an ba su haka sha mai koko su sha ruwa ga hanya bancin lemun da za a biya su da shi. To duk wannan shi ya ƙara kawo tsada aure garin na maraɗi. to wa a ce a zama laihin kyadan armi to mu abin da za mu cewa gaskiya ni a yadda na ɗauka gaskiya wani bi daga mazan ne tunda idan baka yi wannan abun ba yanzu da ya riga zama musu al'ada ka yi abun wai za a tafiya a ce ai mun je gidan su wance ba a tarbe mu da wani abun kwarai ba har ya kai ko bayan auren ana waɗa ma yarinyar magana kenan su kuma dole uwayenta ne su iya kokarin su ko ba su da kuɗi su ce sai an yi wannan abin kenan dole shi ma an goyi daga jikin Ah, to merci beaucoup Sadatu muna gaida kowa da kowa a can garinta a garin maradi. to godiya mu. Mhm, bye bye. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. nous. Passons à présent à notre page e-sportive et aujourd'hui nous allons parler de la lutte. Exactement. Au Niger, la lutte euh, est considérée comme euh, le sport roi et partout où cette lutte est organisée, il y a toujours hein, la présence des griots qui font euh, les louanges des lutteurs pour les galvaniser. Parmi ces griots, Sogolo est le plus connu. Mohamed Maman, notre correspondant de Maradi, a fait un tour à l'arène de lutte de Maradi pour savoir un peu plus l'intérêt que cette voix euh, de Sogolo représente pour euh, les lutteurs. Voici son reportage. S'il existe un moment qui transcende l'île spectateur, c'est quand les tam tam et la voix de Sogolo, ce chanteur incontesté des lutteurs, se font entendre. Ce moment symbolique est plein de signification. Tout le monde est d'accord que Sagalo est le catalyseur de la lutte traditionnelle au Niger. Lui-même en est conscient. ko wani dai mun san sunan shi mun san irin inda za mu ɗauko shi mu tadda shi ana mu zazzafa shi ina ba su kuzari dan dan kokowa in dai mai zuciya na da an ɗauko taka ta an ka ce dan wane magadin wane kai da kanka za ka kanka na nan ga dan kokowa komi ƙarfi ne in babu gunduwa ragaggi na inda duk baka ɗauko ƙiryan nan tashi baka ɗauko takan nan to shi na da ragani cimen bai tashi amma wannan gangar da an kiɗa ta aka kire shi to sai ga jiki ne na kakarwa in babu nan kaka an kwaɓa disana lutteurs font confiance en son pouvoir de les galvaniser afin d'utiliser toute la force nécessaire pour terrasser l'adversaire. Pour cet ancien lutteur de Maradi, Daouda Abdou, vice-champion de l'année 2000, la voix du Sogolo est magique. Pour lui, elle transporte le lutteur dans un monde où la peur n'existe pas. suna ta da dan kokowa yadda da ba ka zato tun da yau in makaɗinka ya kira ka duk inda hankalinka yake dole ya tashi sai ka ji duk abin da za a yi ba a ƙi ba ka ƙi ba in mutuwa za a yi cikin hilin nan a mutu duk ɗaya ne ba ka shi kuma wannan lokacin saman ka yake tashi duk wani abin da kake da shi sannan yake tashi sai ka ji ka ya tashi so kake kawai a ce akai kai a bai yiwa yau ayan aka yi ta ma ba ta daɗi tunda kai hankalin ka bai tashi shi makaɗi zaman maziki ne yake dole ne sai da siga duk abin da ka sani sai da siga Je ne viendrai même pas à l'arène si Sogolo et les joueurs de Tam Tam ne sont pas là. C'est la réaction de cet amateur de la lutte traditionnelle, Mahamadou Nouroudine, qui témoigne que ce folklore fait le charme de la lutte traditionnelle au Niger. harkar kokowa ka ce babu sagwalo tun da harka ce ta galgajiya wannan dan kare kirayen da suka yi na mutane suna tada dan kokowa yau shi ne kokowa da in babu su sagwalo kokowa ga ba na ce ba ta yi amma dai ba ta da wani armashi da daɗi haka Tunda ko ni nan ba na zuwa kallon ta in ba na ga. ana kirari yan kokowa nan suna gewa ana musu kiɗi ni kaga yana ɗaya daga cikin ma abin da ke kawo ni nan kallon kokowa Maradi a abrité du 7 au 9 juillet 2023 la troisième édition de la Coupe RTL Cocoa qui a vu le sac du jeune talentueux lutteur Tawa Zakirou. Merci Mohamed pour toutes ces infos sportives. Chers auditeurs, il est l'heure pour nous de découvrir notre star du jour. Et aujourd'hui, le portrait de cette émission nous amène à la découverte d'une femme qui confectionne des bonnets traditionnels, un métier qui est destiné aux hommes dans certaines localités du Niger. oui, natif euh, de, native euh, de Goudoumaria, Région de Difa, Lamine El Hajkouri est âgée de 35 ans, confectionneuse de bonnets traditionnels, métier hein, qu'elle exerce avec passion pour joindre les deux bouts. Écoutons son entretien avec Maman Ada. sunana lami alhaji kori sana'an da muke yi na hula ne ta wannan sana'a shi kun jima kuna yin ta kuma ya kuka kuka fiye ta na jima ina yin ta yau ya kai wajen shekara goma da nake yi yadda na koya ranan muna zaune ana bikin suna da muka je da wata muka ga kowa yana yi mu biyu ne ban ma duk cikin wajen bikin eh duka suna yi na'am he na ce aisha mun je mu dauki multi mu ma mai hula sai ta ce to lokacin da muka fara maltin ma kwata-kwata dala 20 zaren shi ma dala 20 sai na ce aisha mun je mu dauka ta ce to da muka zo ni na dauka sai ita ta ce kai ba za ta dauka ba ni da na dauka ni ban iya ba akwai wata kanwata ita ta iya sai na zo ta koya min a ranar da ta koya min ana yayin wani hula mai gatari he ina yi ina yi ina yi akwai wata matar yayana he ta ce in kika bata ido ko daya hulanki zai karkace ce na aje hankali ina ina yi har na da farin fes da na sai da ma jika ɗaya ce fa na sai da shi na farin fes ɗina ma na na sai da daga ba shi kenan na ci gaba da yi ina yi yau da gobe yau da gobe da a zane yake kawai ni da aka koya mu da aka aje mun guda biyu ma na sani sai na irga ina yi kamar kina yin zana muna irin da kike yi a halin yanzu da nake na yi mai gatari ina yin rawaran lokacin buhari wannan ma mun yi tai kuma aka ce a yi ashe buhari daga baya sai aka cire wani kuma na yayi lokacin hijiran nan wai bangon. akwai wanda ake cewa yahudi to yahudin ƙanana ne da na ɗauka ma na ga ido na yana wani kala na ce kai ba zan iya ba ba akwai yan bama suna haya a gidanmu he na saida musu he na dauki mai ido manya manyan nake yi ina yi ina yi to he da na zo nan garin ne ka san ko ba masu dinki he na bar dinki tukunnan yanzu kuma gashi nan na fara wa'annan kadan na ce akan aikin banza din gwanda ina yi din yafi he na fara dinkin kuma shi ma to yanzu wannan hula mm. ka ta har kare ta yana dauka kwana kamar dai sati uku din ne zai kare ko wata ga hula guda eh ashe ba karama aiki wallahi saboda ido ne ka san aikin wannan allura suka ce yana kashe ido yasa ban na yi sosai in ba haka ba da kwana goma ma ina gama shi a wannan yanzu na samu ne ina sai da ko da yake zaren bi da bi ne akwai wani zare babban zare akwai karamin zare babban zare in mun samu ko jika goma ko sha biyar haka za a siyar in karamin zare ne ka samu jikan ka ko bakwai ko takwas sai ka saida. to yanzu ya kuke ganin wannan sana'a ganin cewa ana shigo da hulluna wanda ake tahowa da su da kasashen waje. to da yake nan din mazan ba su kula da sa huluna da yawa ba kamar Najeriya kaga ko ana aure ma za a ce mu uniformin hula ana yi to da nan din da can din ne yanayin sa hulan su daban ne ko ba haka ba yan najeriya sun fi sa hula kun dauko batun matsala ta ido kuna dauko wasu matakai domin kare idanun naku in ka ji idan ya ciwo ya ka siya ka ɗiga in ka sa kuma in kai kana biyu uku in ka ɗan huta kuma ya ka ɗauka ka yi kuma kaga in ba ido ko ba magana. Wannan sana'a aikin maza ne kuma mata ga su suna yi. Haka ne ni ma a can ne na koya mai dubu na koya. To ya mai gida ba ya babu matsala. A duka aiki abin mai gida ba zai maka ba saboda wani abu kai ma za ka yi da yaranka. Kamar cikin ɗinki akwai ta mai sha ta yi ta koyi wannan sana'a ta ɗinki hannu. Akwai ɗaya yanzu tana lokal ai ba ta lokacin ta zauna ta yi. Eh. Kamar ba babu wata kungiya ta mata da za ta taimaka muku wajen irin waɗannan ayyuka na ɗinkin huluna. A'a babu. Ni da da na zo nan ban gani ba. Ito in kuka kare wankin hula ya ne sai. Yanzu na kare wannan akwai saman shi in na yi sai a kai gashuwa akwai wanda suka sa a ciki. Gashuwa Najeriya. Eh akwai wanda aka ake wani yadi ana sa a ciki a ɗinka in aka ɗinka sai a sa a wanke a sa a kwari tukun ka kawo kai ma ka saida. Yana in na ku kashi tasa'in na aikin ko tamanin ma aikin kuke shi saura ida su Najeriya. Eh mu kawai kawo ne namu muka din ka kai aika gashuwa he a sa. Ni ɗin ban koya ba akwai matan da suke yi din ma matukun ban koyi sawon ba ne. Can zai mata suka ce kuwa ya ne za su biya ki ko ko dai haka kyauta za ki koya musu. A'a ba biya to ni ma haka tun da aka koya mu. Voilà, mesdames et messieurs, après ce portrait de guston ensemble, notre dernière musique imprévue hein, euh, dans la playlist d'aujourd'hui. Et c'est le morceau La Gaza du groupe Métaphore Crew. Oh, eh, esta bomba constitué de trois jeunes artistes, Métaphore Crew fait sa première apparition en 2000 au Centre culturel français de Niamey et séduit bientôt le public nigérien par ses tests engagés et son style entre rap, reggae, raga, dancehall et folk nigérien. Après plusieurs participations à des festivals internationaux, Métaphore Crew sort en 2009 son premier album Plus de fois qui obtient la même année le prix du meilleur album hip-hop au WhatsApp Music Award et le prix du meilleur groupe de l'année au Niger Hip-Hop Award. En 2011, Métaphore Crew décroche le trophée Espoir Talent au Festival de la Jeunesse et en 2014, il est nominé au concours Star Africa South Orange. alabada Una gani watarana Ko wanda ta samanatara Ni dai ina nan ina nan ina nan na ke barwa Voilà, mesdames et messieurs, la Gaza, tout en espérant que vous avez bien aimé. Alors, Salamatu, on passe au loti du jour, n'est-ce pas Eh oui, c'est notre loti du jour d'aujourd'hui parle de l'importance de laver les mains avant d'allaiter son enfant. C'est le thème central de la rubrique d'aujourd'hui présentée par les femmes des studios Kalangu. En effet, elles sont nombreuses les mamans qui n'accordent pas d'intérêt au lavage de mains avant de mettre leur enfant au sein. Écoutons Samira Rouafi et Rakia Arimi sur le sujet. matso ki ji matso ki ji matso ki ji matso ki ji matso ki ji matso ki ji Allah kai in kana jin ba ka da hankali ko kaɗan to yi haƙuri ina zuwa Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yani, ibu ne ke kuka haka? Ba da lahiya ne? Wallahi lahiya shilau. Kawai wani yunwa yake ji. To ba shi abinci mana ya ci. Kisan da ba kyau a bar yaro yana kuka haka, yana iya rashin lafiya. Wallahi na sani gowa. To, to sa shi ya yi shiru mana. Abin da nake shirin yi dai kenan, wai kawai ina jira ni in sabko shi daga baina, di bayan da yake kuwa kamar an zuba mishi tonka a idanu. kin san masu karin magana ke cewa cikin da ke jin yunwa bai yaji to tsaki gani zan ba shi nono da ya samu ya kwantar da hankalin shi sannan za mu samu mu hira amshi amshi ishu ke ke tsaya me haka me ke shirin yi nono ne zan bashi nono ba tare da kin wanke hannuwanki ba yanzu fa kika zo daga gari yaya za yi ki ba danki nono da hannuwanki masu salfi haka na yi wanka fa kafin in hita daga gidan nan na ji ai masana na cewa kafin ka ba ɗanka nono ko kuma in za ka hidda nono don ka aje shi ya kamata ka wanke hannuwanka. Don me yasa hannuwa? Don saboda ka kare shi da wasu cututtuka. Hmm, gobe ma wani abun daban zaki ci in yi. A'a, a hankalin hankalinki ba mu kai nan ba tukwana. masana suna shawartar mutane da a kula da tsafta don saboda lafiyar yaro kamar misali wani amfani da sabili mai kamshi yana ɓadda iskan jiki na ainihi kamar kina da gaskiya fa da mi kuma kuma ana iya sa rigar nono don saboda ya tallabo nonon kai ya zube kuma ana so a wanke shi ko so uku cikin sati. Aha, kin tabbatar da abin da kike ga min ke wani ƙare ba? A'a, gaskiya ce nake hudi miki. Wannan yana nuna cewa biki cika zuwa yin awo ba. Shawarwari ne da ake ba wa mata masu ban nono. Musamman ma ma'aikatan likitoci suna jan hankalin na a tsananta tsafta tunda yaro karami bayya da ƙarfi nan da nan cuta ke kama shi. Delu gaskiya na gode da wannan tunin da ke mini. Kin san Ibu yaro ne mai masiba kuka. in ya fara kowa sai ma ki mance abin da kike yi gaskiya ta na gode yanzu ai za mu samu mu hira tunda ya kwantar da hankalin shi amma gora ya kamata ki sake aiki ko ki koma likita <laughs> a ba wani zancen sake aiki ba ne kin san duka wannan abun na koye shi ne tare da abikin nan ta ingozuma aikin santa kuma ba banza bane da kike gani na kullum ina tare da kaka tana bani shawarwari da dama na kula da kai samu lokaci dai wanda zai samu zamna in haɗi miki dukkan abubuwa masu inganci insha Allah gora wannan satin ma za mu shirya wannan haba waye ki kawo a ah, to Allah ya kai mu Voilà, chers auditeurs, à l'instant, c'était bien le loti du jour euh, qui nous a été offert par euh, le desk femme du studio Kalangu. Cette fois-ci, nous allons directement avec la, rubrique culture linguistique et nous sommes dans ce studio avec Alamin euh, Alamine Ouachar. Il est journaliste et traducteur en langue tamashek au studio Kalangu. Aujourd'hui, avec lui, on va découvrir ce que signifie le mot désherbage. Bonjour Alamine. Bonjour Seno, bonjour Salamatou. Le désherbage est une pratique qui consiste à limiter le développement des mauvaises herbes pour réduire leur, visibilité sur la plante cultivée. En cette période euh, de saison pluvieuse, on trouve un peu partout les agriculteurs dans les champs en train de désherber afin de bien améliorer la production. Le désherbage motive, motivé essentiellement par deux types de raisons. La première, pour améliorer la production. La deuxième, c'est pour éliminer euh, les plantes sauvages qui entraînent euh, euh, en concurrence avec la culture, avec nos cultures. vous avez prévu aussi en Oui, سيكوسن إلتن مدينة نلموز ويتاكسنا تامبل يعني يكرزا أرتي تاوغو إتاوان كات فلا أداسي أداكنو الحالة انت كريستين فلا سر تداز ششورن تدولا ترما دقد لازاخين آخشود موسى إيكوسان اللمزان وين دي مدينيل وين أرد أزم فينا تامبل يسودر تتيك في دغينا التند مرة maran igila fila sanatat sefatemak wazawantanne ati shiwud tedegert filaganawe qalana garaw dasigya karwada ituwuk sinaratan wurnolek azig dilen madeqi kifan isigya knana Merci euh, Alamine Ouachar. Euh, chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, euh, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Je dis bien 82 89 89 64. Justement, sinon, écoutons ensemble les messages vocaux de nos auditeurs. ni haruna na mutum dogon duci a madamni kwanni muna sauran studio kalangu karfe biyar na marice muna jin abin da suke yi shi na da firga balle ga kasuwancin da muke yi muna fatan kuma allah ubangiji shi ba su karfin gwiwa allah ubangiji kuma shi kama mana suna ba da labarun nijar duka gaba ɗaya kenan kuma ka gani wannan shi kuma abin karfafawa na muna jin daɗin wannan allah da ubangiji shi ba su karfin gwiwa ai ma kaci ahmed hamma gaibai da ahmed shef mbama kango balle yara sai kalangu ido ga hankan gumo gumo gumo irgo goga man kani mo gumo zama ikan na bon fere kul irse ikan de zan kai se bon fere ikan po e eh, bay kulle kan garajo hangan walla ikan la se bon fere zama yi wai kwa da bo ga fo kan hangan no sanni fo ki gate kan bon fere wani haidin go kani se gumo kalai ma cerce kan filan ka kama sanni si kan se mon sinen bora ka kama sanni kan ga bijan di kunu kan ga gu konu kan sen pacal pacal kul wallahi kalango karan dai da bu ga wallahi kanir se gumo abu gumo ikan da bon fere gumo gumo gumo gumo alfa da dai kango ne da ballar se kwali kara iga fo gumu gumu gumu ai ga fo mai gari in ba mu wana wiri mai gatta jo iga fo gumu gumu yi ai ga sabata gumu farsana kan shi nal kaidun ba mu ai ga fo gumu hadisu mamma nan da dai nake shato balle yara cikin shirin nasu da suke yi dai a cikin wa'anda na saurara su kai ga mata su tashi su yi tsaye su nemi sana'a ni shine ya burge ni tunda saboda yanzu mutane suna cikin zamani ne wanda ya zamanto komi na da tsada a rayuwa kenan in an ka ce a tsaya a dibi maza su kadai su doki gida kuma harkar na akwai matsala tunda saboda yanzu mutane gaskiya kuɗi ba na yanzu ba wani albarkan kirki gare su ba da kai ka tai ka ɗauki kuɗi gashi nan gudan da yawa ka je ka sai abu ma sai ka gani ga nan ka ɗauko shi a cikin hannu kenan dole mata su tashi su yi tsaye saboda a taimaka ma ɗiya bisa ka abin na sani dai yanzu saboda wayan kan nan da ake ma ɗiya mata shi ma ke gani wani babban alheri ne da in su yara suna shorare suna ɗaukawa mu duka abin yana taimaka mana da bisa kai ga harkar ɗiya maza hmm. ba da labaru dai abubuwan da ke faruwa cikin ƙasa wannan shi ma an mutum na shoraren shi dai akwai abin da kake saurare yana taimaka maka tunda shoraren labarun na mashi wani babban alheri ne saboda ko su abubuwan da baka sani ba ga shuraren labari kana jin shi eh to ina da mutane wanda zani gaidawa kai lalle tunda nan ga ina da wata uwa ta ma radio da lalle take aiki zara mai na ramsunan ita ma lalle ka ina aika gaisuwa na a gare ta saboda ina jin daɗin rayuwa a tattare da ita Voilà, chers auditeurs, euh, c'est l'heure pour nous de découvrir les titres de la grande édition de ce soir. Et justement, nous sommes avec euh, Rafika Taher, notre collègue chargé de présenter le journal en français. Bonjour Rafika. Bonjour nous Quels sont les grands titres Je vais bien, ça va Alors, euh, pour aujourd'hui, la gendarmerie départementale de Gaïa a procédé à une saisie de produits de contre-monde dont des produits pharmaceutiques non autorisés hier dans le village de Sanditunga. Vous aurez les détails à 17h. Le pastoralisme dans la région d'Agadez est confronté à plusieurs difficultés de la région, selon le président de l'association pastorale. Des aspects comme le changement climatique ou l'occupation des aires de pâturage sont à la base de ces problèmes. Enfin, dans la partie magazine de ce soir, nous irons à la découverte d'un site historique du département de Bilma, pas très connu. Merci Rafika, chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition de notre de votre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Ali Munkaila Ousseini alias Seino, et moi-même Salamatou Kadri. Le plaisir était grand de partager ce moment avec vous chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour lundi avec un nouveau numéro. Oui, à la technique, c'était tout simplement Mustafa Ayuba et Adama Dawaki à l'édition. bye. bye.